Thank you. L'histoire de CFAO retail au Sénégal est très récente, puisque nous avons ouvert le premier euh, de nos magasins au mois de janvier. Il s'agissait d'un Carrefour Market au point E, à Piscine Olympique. Et puis, euh, comme ça a été évoqué, nous avons ouvert le premier euh, Supéco en Afrique, donc le premier Supéco pour CFAO retail, le premier sur le continent africain, au, au niveau d'El Mansour au mois d'avril s'est succédé un deuxième magasin Supéco à Grand Yoff. Aujourd'hui, nous inaugurons notre troisième Supéco, euh, ici donc sur la commune euh, de Golf. Donc vous voyez une accélération euh, de l'expansion au niveau du Sénégal pour CFA Retail. Ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de projets à la fois sur Dakar, la banlieue et assez vite en région avec nos euh, deux enseignes, donc Carrefour Market et Superco, selon euh, euh, les environnements euh, qui est donc l'enseigne la plus adaptée aux environnements des localités. Nous proposons une, offre unique au Sénégal qui répond aux besoins économiques et à la problématique de pouvoir d'achat de beaucoup de citoyens sénégalais vous voyez, nous sommes dans un magasin qui se veut simple, qui répond aux besoins du quotidien de la plupart euh, des euh, concitoyens sénégalais avec une offre de produits simples, dans un environnement simple et des prix extrêmement accessibles. nous baisse le Sénégal oui, enseigne ni Superco, Supeco supermarché économique nous nous à liguer avec les producteurs locaux yi Sénégal di avec les fournisseurs locaux qui sont au Sénégal plus de fournisseurs fournisseurs de producteurs locaux qui sont Sénégal. donc notre objectif moi euh, le consommer Sénégal le produit Sénégal ce nga xamante Sénégal lañ koy euh, ñu euh, magasin pour mener euh, sur un peu euh, économie Sénégal. pour l'instant, Supéco euh, ci a Grand Dakar lañ HLM Grand Yoff lañ ko ubi, Golf donc notre objectif est que ko Sénégal ba nga faire sénégalais nga rek di supermarché premièrement d'apporter de la modernité telle que vous pouvez le voir ici même de la traçabilité, de la sécurité alimentaire, puisqu'on a un grand respect de notre chaîne de froid. Euh, tous les produits sont vendus, sont absolument garantis, euh, complètement euh, sains en matière d'hygiène. deuxièmement, on, a un, système qui nous permet d'avoir une pratique tarifaire basse, comme vous pourrez le vérifier dans les rayons euh, juste après. Donc euh, globalement, on est les moins chers du marché avec l'enseigne Supéco. Ça permet donc aux consommateurs sénégalais d'acheter à moindre frais et donc d'acheter plus de choses avec la même valeur de francs CFA. Donc le projet CFA Retail, c'est développer des magasins Carrefour, Carrefour Market et Supéco, comme aujourd'hui nous sommes en train de le faire ici même, euh, dans différents pays d'Afrique. Pour l'instant, nous sommes présents au Sénégal évidemment, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Voilà l'ambition du plan euh, CFAO Retail qui est, mené conjointement avec euh, le groupe Carrefour. Et euh, c'est nous qui développons, de par la connaissance du groupe CFAO de, l'Afrique, c'est nous qui développons ces enseignes dans ces pays d'Afrique subsaharienne.